Donc euh, moi j'ai été victime de ça. J'ai amené ma dot chez les parents de la fille. Donc euh, ils ont refusé la dot. Comme c'était 500 000, ils ont voulu que la somme soit 1 million. Donc comme j'avais pas les moyens, j'ai renoncé. Et maintenant je suis là, n'ai même pas une femme à marier. On appelle aux parents des filles de revoir le prix de la dot pour que nous aussi nous puissions nous marier. Nous les jeunes, où est-ce qu'on va avoir de l'argent Nous voulons nous marier, mais l'argent manque. C'est bien normal que nous fixons une dette très élevée de nos jours car les meubles coûtent très cher. Il y a aussi l'organisation de la cérémonie. Il y a la valise de la jeune mariée et aussi il y a une valise que la belle-mère donne comme cadeau à son beau-fils qui coûte très cher et les préparatifs. C'est pas facile hein, pour une belle-mère. Souvent même la dot ne suffit pas. Il faut qu'on complète. Prendre des crédits par là, par ci et quelques jours de mariage, c'est tout un problème j'ai des filles, mais si c'est pas des millions, je prenne pas.